am mbégte tey euh, indi li nga xamante ni moom mooy initiative de la jeunesse africaine pour la l'annulation de la dette ñun euh, ay ndawi Sénégal euh, de tout bord politique fépp foo xamante ni ab ndaw fasant koo fa daje nañ waxtaan ba déggoo ci li nga xamante ni moom la ñu tënk ngir àndandoo ci ngir permettre li nga xamante ni moom mooy ndaw ñi ñu mën a saytu di gëstu li nga xamante ni moom mooy ay question économique ci réew mi nga xamante ni moom la ñu nekk li waral dajab tey mi nag weesuwul lu dul tàggat ndaw yi ci ñu xam lan mooy def lan mooy li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi économique yi ñuy jànkonteel lan mooy question yi nga xamante ni Covid 19 bi indi na ko fi ci jafe-jafe ak situation actuelle bi euh, réew yi tugal yi nan la ñu def ñoom ba génn ci ba am li nga xamante ni nuru naag relance économique. Euh, ñu def li nga xamante ni mooy comparaison saytu xool euh, ndax ñun Afrique dagan na ngir ñu war a mën a taxaw def li nga de la république la jeunesse, de lui permettre d'avoir les arguments nécessaires afin de pouvoir défendre euh, cette position tant euh, reconnue de manière internationale qu'a prise le président de la République, son Excellence Macky dans le cadre de la résilience économique, en appelant les États du euh, G7 et du G20 et aussi euh, du FMI à procéder à l'annulation de la dette des pays euh, d'Afrique, et surtout afin de faire face